Un État fort, c'est aussi un État qui fait l'effort. Ni masque. Parce que je ne comprends pas. On parle au nom de l'État et on ne peut pas faire l'effort quand même de souffrir avec le masque. Il faut, il faut savoir souffrir avec le masque. Charlie, il souffre avec le masque. D'autres sont des Souffrir avec ils le souffrent masque. avec le masque. Bouba souffre avec non, le non, masque. Non, non, moi je ne souffre pas avec le masque. <laughs> Man, par exemple. Il est à l'aise. Man, par exemple. Moi j'adore le masque. Mais bon, ça y masque bidjogefi. Mm. C'est-à-dire, personne d'entre nous ne veut euh, parler avec le masque. Malal, qui veut le faire C'est comme ça, vous gagner sa bacan. Quand tu nous voilà c'est-à-dire je veux. foofu malal bësal fer mais je suis désolé. Je ne peux pas comprendre. boy, je serai obligé de. Je ne peux pas comprendre avec ngom euh. Bon, bon nous ko xeer ce que je veux juste comprendre euh. moi, est-ce qu'il a une maladie bu koy tere pas le masque parce que quand même quand les. mais sa maladie tamit malade, oui est-ce que il n'est pas fondé à dire s'il est malade ou pas aussi. oui ah. Oui, hein? mais je, veux dire... asthmatique. Ouais, ah, comme, beaucoup d'ailleurs, comme, moi. Ouais. Ça, c'est le moi, je suis asthmatique. Il est Visite médicale. Hein? Ah, ah Malal est en train de passer. Bon, c'est pas mettre à l'aise. Mohamed, à peu près. Il parle de son asthme. Charles est asthmatique. Charles est asthmatique, man, dama am sinusite, etc. Euh. C'est-à-dire, que ci si ñun bu évoquer liko dal ba du mën tak masque finalement ken du tak masque donc pour man booy digle càngaay les populations oui évidemment elles sont fatiguées elles sont fatiguées parce que nous sommes parce que effectivement il y a énormément de promesses non tenues parce que waxoon nañ fi ci émission bi fi li gars bëgg mënul continuer population et les populations vont sortir et c'est ce qui s'est passé les transporteurs ont fait des manifestations Touba Tivaouane un peu partout dans le pays ont nous, ñun ñu ñu ci des ba ñu ci quand même depuis trois mois nous avons ay parce que nous, ñi wax c'est très légitime nous voulons vivre parce que les moyens yi ngeen prévoir pour ñun les engagements yi ngeen jëloon respecté wu leen ko donc laissez-nous soxlaatuñu sax seen ndimbal mais mettez-nous dans les dispositions ñu mën effectivement liggéey ñàkk jëriñu dundal suñu njaboot ñu tegg leen coono boobu bi ñuy wax fii jàkkaarloo bi passé école bi mënul ubbi la deux wax ci ku ci ne hmm. am ci lu lu ci wax biñ koy wax fi ni représenter ministère dañ après on s'est retrouvé dans quelle situation école nous ñu jox d'un gel ay ay bu ñu jox gel ay et cetera je veux dire en fait dañu war dañu sérieux dañu à ce sérieux respecter askan jamono jiñ toll nii ñu ngi mois de juin d'accord Dakar Dakar c'est pas effectivement les villages d'accord mmh. Dakar effectivement les maisons d'un xat les gens veulent sortir dañuy bëgg génn. mais Malal est-ce que c'est un argument aussi. non non hein, kër dañu xat dañu mais yi dañuy dañu xat il fait chaud dans les maisons. Mm. il fait très chaud. tàngoor tàngoor bi nga xamante ne am ñu boole ko effectivement ak ndimbal bi war a yegg ci askan wi yeggul ci askan wi ni mu war ci askan wi et puis dañu dem ba finalement askan wi dafa dem ba finalement dafay gën di douter ci existence coronavirus parce que diggante.

on autorise tout le monde à parler du corona on autorise tout le monde à chaque personne dit n'importe quoi Il y a une régularisation ou dara même information y a un excès d'information finalement askan wi dafay erreur ci biir carte pour moi, il y a une grande responsabilité de l'État les gens veulent tout simplement sortir parce qu'en fait ils veulent vivre et gagner leur vie c'est aussi simple que ça. alors Bouba. waaw euh, juste après yow ma dem ci Thierno Bocoum mi ngi ci Skype bi. waaw en fait en fait.